forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Monsieur, dames, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous de 18h15 sur le studio Kalangou, le forum du studio Kalangou, un espace qui reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Et si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce à notre réseau de 34 radios partenaires repartis sur l'ensemble du Niger. Les allergènes domestiques, une des causes des allergies, c'est la thématique du forum de ce soir. Un allergène est une substance ou une particule, un corps organique, euh, atome, molécule, protéine capable de provoquer une réaction allergique chez une personne. Quelle définition les allergologues donnent-ils aux allergènes Quels sont les allergènes fréquents dans nos maisons Les facteurs influençant leur croissance Quelles sont les catégories d'allergies les plus courantes et leurs éléments déclencheurs leurs manifestations et leurs conséquences sur la santé, comment notre maison devient-elle un véritable repère à allergies quelles sont les mesures de prévention qui permettent de limiter les manifestations allergiques et les crises Comment se fait la prise en charge médicale des allergies et comment lutter contre tous ces parasites Ce sont là les questions auxquelles nous tenterons de trouver des réponses avec notre invité présent dans ce studio. Il s'agit de Dr Tahiru Hamidou, l'un des huit allergologues que compte le Niger. Dr Tahiru est en service à l'hôpital national de Lamordé et est l'unique africain lauréat du prix de la Société française de l'allergologie en avril 2017 à Paris. Bonsoir, docteur. Bonsoir. À la présentation, fils Adam Sirfo. Chers auditeurs et auditrices, merci d'être à l'écoute et merci à notre invité d'être venu. Docteur, avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, veuillez nous donner plus euh, de précisions sur votre spécialité. En quoi consiste le travail de l'allergologue euh, Merci Nafisa. Je remercie les auditeurs qui sont à l'écoute aussi. Je les salue. En fait, euh, l'allergologie, c'est une spécialité médicale, une branche de la médecine qui étudie et qui traite les maladies allergiques. Et je suis allergologue à l'hôpital national de la Morde, où nous avons créé un service d'allergologie. Et comme vous l'avez dit, nous avons mené des travaux au niveau de l'hôpital national de la Morde sur les allergies aux insectes comestibles particulièrement le criquet comestible de chez nous. C'est ce qui nous a valu le prix de la Société française d'allergologie. En fait, mm. à travers cette étude, nous avons montré que non seulement le criquet provoque des allergies chez certains individus, et en plus, nous avons montré que les personnes allergiques au criquet doivent faire attention à la consommation de certains aliments comme les crustacés, comme les mm. crevettes, car ils peuvent développer aussi des allergies à ces crevettes par ce qu'on appelle le phénomène d'allergie croisée. Et donc, euh, ce prix, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour tout, le Niger mm, Oui, vraiment, ce, pour moi, ce prix est très important. Quand je sais que j'ai commencé l'allergologie en 2012, il y a cinq ans de cela, et en 2017, gagner le prix de la Société française d'allergologie, ça vraiment, je je peux dire chapeau pour le Niger. Là, vraiment, c'est très important et ça permet de montrer aussi qu'on peut faire de la recherche de chez nous, on mm-hmm. peut avancer avec les moyens que nous avons, on peut faire de la recherche et je dis toujours aux amis qu'on ne doit pas mettre la charrue avant les ah il ne peut pas y avoir de développement sans recherche scientifique. Merci à vous docteur. Euh, comme je le disais ce soir, nous allons parler des allergies et leurs euh, éléments, les facteurs influençants, c'est-à-dire les allergènes. Euh, tout d'abord docteur, qu'est-ce qu'une allergie Comment vous la définissez L'allergie, en fait, c'est une réaction immunitaire, une réaction de notre système de défense. C'est une réaction exagérée. On parle de réaction disproportionnée, exagérée de l'organisme en présence d'une substance étrangère qu'on appelle allergène. En fait, cet allergène, il est en réalité inoffensif pour l'organisme, mais notre organisme le considère comme un intrus qu'il faut combattre à tout prix et il mobilise une bonne partie de son arsenal défensif pour tirer sur cet allergène. Par analogie, je peux dire, pour illustrer cela, c'est comme un soldat qui utilise un canon, une mitrailleuse 12-7 pour tirer sur un moustique. Mm-hmm. Vous voyez que c'est vraiment une réaction disproportionnée. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on définit les allergies. C'est vraiment une réaction exagérée de l'organisme en mm-hmm. présence d'une substance qui en réalité ne crée aucune nuisance pour l'organisme. Comme vous venez de le dire, l'allergie, elle est provoquée par ces allergènes. Ces allergènes, est-ce que euh, est-ce qu'ils sont visibles D'abord, euh, il faut, en parlant de l'allergène justement, c'est cette substance étrangère qui est capable de provoquer une réaction immunitaire de type allergique une fois qu'il est mis en contact avec l'organisme, mais chez les individus qui auraient préalablement été sensibilisés à cet allergène, mm. c'est-à-dire les individus qui ont déjà développé, qui ont fabriqué des armes, qui avaient eu un premier contact avec cet allergène, ils ont fabriqué, ils ont développé des anticorps contre cet allergène. Mm. Maintenant, au cours d'un second contact, ces allergènes, avec cet allergène, l'organisme mobilise ses anticorps qui sont à l'origine, qui interagissent avec l'allergène et provoquent justement la réaction allergique. Bon, concernant les allergènes, il en existe plusieurs types. Euh, selon le mode de pénétration dans notre organisme, on parle de pneumallergènes ou allergènes aéroportés ou allergènes respiratoires qui mm. pénètrent l'organisme par voie respiratoire. Nous les inhalons, nous les respirons. Ensuite, nous avons les trophallergènes qui sont des allergènes alimentaires. En fait, c'est des glucoprotéines mm. ou des protéines présentes dans les aliments que nous ingérons et qui mm. peuvent qui peuvent provoquer des allergies, chez certains individus. C'est ce qu'on appelle euh, allergie alimentaire. Allergie alimentaire. Donc les allergènes sont des allergènes alimentaires. Ensuite, nous avons des allergènes médicamenteux. Certains médicaments contiennent des substances qui peuvent être allergisantes chez certains individus toujours. Ensuite, nous avons des allergènes de contact certaines substances en touchant notre peau peuvent provoquer des allergies et nous avons aussi des allergies, des allergènes de certains insectes piqueurs comme euh, les abeilles hmm. et les guêpes qui ont certaines protéines contenues dans les vélins qui nous, qui nous inoculent et qui peuvent provoquer des allergies. Oui, docteur, euh, parmi tous ces types euh, d'allergènes, quels sont les plus fréquents dans nos maisons oui, en parlant de nos maisons ici au Niger, les allergènes les plus retrouvés, c'est entre autres ce qu'on appelle les acariens. Les acariens. Les acariens qui sont des micro-organismes, ce sont des microbes, des petits parasites qu'on ne voit pas à l'œil nu justement et qui sont capables de, produire, de provoquer des allergies quand nous les respirons ou quand ça pénètre nos yeux mm. ou même quand ça touche notre peau chez certains individus toujours. Ces acariens prolifèrent à l'intérieur de nos literies, de nos draps, nos matelas. Sur un matelas adulte, il y a jusqu'à 2 millions d'acariens. Et dans un gramme de Sur un matelas, adulte, il y a jusqu'à 2 millions d'acariens. Si vous prenez un microscope pour regarder sur votre matelas, vous verrez plein d'acariens. Et heureusement, ce n'est pas tout le monde qui en est allergique. Il y a certains individus, mhm. dits individus sensibilisés, qui développent des allergies contre ces acariens. Mhm. Et dans un gramme de poussière, on trouve environ 2000 acariens. En fait, l'allergie à la poussière, c'est en fait une allergie aux acariens de la poussière. Mm. Ensuite, toujours dans nos maisons, il y a ce qu'on appelle les, les blattes, les cafards, qui produisent, qui sont des sources allergiques euh, allergéniques extrêmement importantes, Ils produisent des allergènes, provoquent de, l'asthme, de la rhinite chez certains mm-hmm. individus. Ensuite, nous avons les animaux domestiques notamment le chat et le chien, qui, ont des allergènes contenus dans leur urine, mm. sur leur poilure, et qui peuvent sensibiliser certains enfants qui seraient en contact. Et mm. sans compter les animaux domestiques de chez nous. Parce que si on parle de chats et de chiens en Europe, chez nous, il faut évoquer aussi le mouton, les bœufs, les chameaux et tout ce que nous pouvons garder, les, chevaux, je veux dire, tout ce que nous pouvons garder à l'intérieur de, nos mm. maisons peuvent être des sources d'allergie. Les araignées également Bon, l'araignée en fait appartient à la même famille que l'acarien. Et ce qu'on appelle les arachnides, c'est tous des arthropodes, mais pas comme, ce n'est pas aussi une source d'allergie que l'acarien en fait tous ces types d'allergènes que vous venez de citer, en quoi euh, ils constituent ou bien ils provoquent une allergie chez, un être humain Oui, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est une. Par exemple, l'acarien, quand nous le respirons, il y a des protéines contenues dans cet acarien, comme ce qu'on appelle la tropomyosine, qui va provoquer, induire une réaction du système immunitaire et chez les individus qui auraient préalablement été sensibilisés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fabriqué des armes, des anticorps, comme on l'appelle, contre ce tacarien. Donc en fait, il faut d'abord un premier contact. Au cours de ce premier contact, l'organisme, s'il rejette ce, ce, cet allergène-là, va mhm. fabriquer des armes, des anticorps. Et au cours d'un second ou d'un troisième contact, ces anticorps vont interagir avec l'allergène et développer la réaction allergique. C'est réellement une réaction de notre système de défense qu'on appelle euh, le système immunitaire. En mm-hmm. fait, au niveau du système immunitaire, il y a ce qu'on appelle l'immunopathologie, les troubles du système immunitaire. Il peut s'agir soit d'une auto-immunité, c'est-à-dire l'organisme fabrique des anticorps dirigés contre, le, contre soi-même, ou encore une euh, déficience immunitaire, ce qu'on voit dans le VIH-Sida. Et toujours parlant des troubles du système immunitaire, ça peut être une hypersensibilité qu'on appelle l'allergie, c'est-à-dire l'organisme réagit de façon exagérée par rapport à cette allergie. Toujours euh, concernant ces allergènes euh, qui sont présents dans nos maisons, quels sont les facteurs qui contribuent à leur croissance dans une maison d'abord, souvent on dit que l'allergie, c'est le carrefour de l'environnement et de l'hérédité. Mhm. Ce que je devais rappeler peut-être dans la définition de l'allergie, en plus de la réaction exagérée, et on ne peut pas parler d'allergie sans parler de génétique, on ne peut pas parler d'allergie sans parler de l'environnement. Euh, génétique, c'est quoi C'est ce que l'individu hérite de ses parents. Il y a une prédisposition, ce qu'on appelle l'atopie, qui a une prédisposition génétiquement déterminée, une prédisposition héréditaire à développer des réactions allergiques diverses. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a certains individus qui ont cette prédisposition. Ensuite, il faut tenir compte de l'environnement. En plus d'avoir cette prédisposition, il y a aussi l'environnement direct du patient. Mm-hmm. Quand je parle d'environnement, c'est à la fois ce que l'individu respire, ce qu'il touche son corps et ce qu'il mange tout ce qui l'entoure, c'est l'environnement, c'est son environnement direct. Donc, les facteurs qui peuvent justement influencer cette allergie à l'intérieur de nous, il y a d'abord le terrain héréditaire, le terrain atopique. Mm-hmm. Ensuite, il y a les allergènes, bien sûr, et il y a aussi ce qu'on appelle les polluants, les polluants de l'intérieur, tels que l'encens, euh, qui, n'est pas une allergène, en tout cas au niveau respiratoire, mais qui potentialise, qui renforce l'effet des allergènes et en plus ça irrite les muqueuses, les muqueuses respiratoires. Donc si, on comprend bien, euh, l'encens est à éviter euh, en tout cas, si vous avez des enfants atopiques, des enfants qui ont une prédisposition, des enfants nés de parents asthmatiques ou mm. rhinitiques, ou dans les familles où il y a beaucoup d'allergies, réellement, par exemple, si vous voyez des femmes qui utilisent l'enfant et qui laissent l'enfant. Elles utilisent l'encens et elles laissent l'enfant qui est couché à l'intérieur de la chambre avec plein de fumée. Là, c'est dangereux. Ensuite, mm. parmi toujours ces facteurs, il faut parler des tapis et des moquettes, qui sont des nids d'acariens, justement. Il faut, dans les familles où il y a beaucoup d'allergiques, des enfants qui ont une prédisposition allergique, il faut réellement faire attention à ces tapis et ces moquettes que nous utilisons. Il y a aussi les animaux domestiques comme le chat et le chien. Il faut éviter le contact de ces enfants qui ont cette prédisposition à développer des réactions allergiques. Il faut éviter leur contact avec ces animaux domestiques. Mhm. Ces moquettes, ces rideaux, euh, quels sont les types d'allergènes qu'elles contiennent C'est la poussière, les, je sais pas. Oui, ça contient la poussière de maison. Et dans la poussière, on retrouve des acariens, des, débris d'acariens morts. On retrouve aussi des allergènes qui proviennent des animaux domestiques comme le chat et le chien. On retrouve aussi des allergènes qui proviennent des, cafards. Je vous ai dit mhm. que les cafards, les blattes, constituent une source allergisante extrêmement importante chez nous. Tout ça, euh, je ne sais pas, tout ça c'est dû à l'insalubrité ou bien qu'est-ce qui, en est la cause Nous devons vraiment considérer notre environnement direct, nous mhm. devons revoir notre mode de vie. je pense qu'il faut vraiment assainir, nous devons assainir nos maisons et puis voir tout ce qui est tapis et manquette. Ça doit, il faut faire l'entretien régulièrement, il mhm. faut les dépoussiérer. L'idéal serait de les retirer dans les familles où il y a des enfants atopiques et voir faire l'entretien des climatiseurs et tout ce qui peut apporter de la mhm. poussière. Tout ça, ce sont euh, les comportements euh, que les personnes doivent suivre. Nous allons venir vers la fin. Pour revenir sur la question des, allergies, docteur, dites-nous d'abord quels sont les types de les catégories d'allergies très fréquentes euh, et leurs éléments déclencheurs ici. Ici au Niger. bon, concernant les allergies qu'on rencontre chez nous, et en fait, nous faisons plus du respiratoire que de l'alimentaire, je dirais. plus, en tout cas, ma petite expérience m'a montré que chez nous, il y a plus d'allergies respiratoires. Il y a beaucoup de, de gens qui font de, la rhinite, la rhinite allergique. Souvent, quand nous les testons, nous trouvons qu'ils sont allergiques aux acariens, aux cafards, mhm. aux poils de chat, poils de chien. Il y a aussi, les gens font aussi de l'asthme L'asthme aussi, c'est une des manifestations de l'allergie. On retrouve cela chez nous. Maintenant, concernant les médicaments, nous, chez nous, on fait plus de toxidermie. Les toxidermies, ce sont les allergies médicamenteuses cutanées. Là, on en rencontre beaucoup. le simple paracétamol que les gens consomment à tort et à travers, on retrouve des gens qui développent des allergies, des toxidermies par rapport au paracétamol. en fait, j'ai parlé de toxidermie, c'est-à-dire des allergies médicamenteuses ah, cutanées. C'est des gens qui se retrouvent avec euh, des lésions sur la peau après mhm. consommation, et pas seulement du paracétamol, tous les médicaments sont susceptibles de provoquer ces allergies. Toujours sur euh, ces types d'allergies, vous, vous avez parlé des rhinites, des maladies respiratoires. À part ce type d'allergie, il n'y a aucune autre catégorie oui, bien sûr, il y a de l'eczéma aussi chez nous, que les gens appellent l'asthme de la peau. Dans les familles, des enfants qui naissent de parents asthmatiques ou rhinitiques, souvent ils font de l'eczéma, qui est mhm. qu'on appelle communément asthme de la peau, qui se manifeste par des lésions très prurigineuses qui grattent beaucoup, localisées chez le grand enfant au niveau des plis, au niveau des plis du coude, au niveau du creux Mm. et qui est dû justement à cette prédisposition qu'ils ont à développer des réactions allergiques diverses. Qu'est-ce qui favorise cette, euh, cette allergie, ce, tasme de la peau Oui, en fait, comme je l'ai dit, c'est une génodermatose. On hérite des mm. gènes qui vous prédisposent à développer ce genre d'allergie. Mm. Mais il y a aussi justement l'environnement du patient. C'est des enfants pour qui, chez qui il faut mettre des habits toujours en coton, chez qui il faut éviter des parfums, l'encens, tout ça qui peut toucher leur peau et puis induire les crises d'eczéma, les poussées d'eczéma. Oui, euh, pour revenir un peu sur la question des allergènes, est-ce que euh, les plantes, les fleurs euh, qu'on plante dans les maisons, elles aussi, contiennent, elles contiennent des, allergènes qui irritent la peau Mm, bon, concernant les allergènes, j'avais dit qu'il y a différentes euh, formes d'allergènes, différents types. Les pneumallergènes qui sont des allergènes respiratoires. Parmi ces allergènes respiratoires, il faut comprendre les acariens. Il faut voir les allergènes qui proviennent des cafards, qui proviennent des animaux domestiques comme le chat et le chien. Mais il faut voir aussi le pollen. Le pollen qui est l'agent de fécondation des plantes. Donc, vous savez que les plantes, aussi bien que les plantes que les fleurs, il y a les mâles, il y a les femelles. Mhm. Maintenant, le mâle, pour féconder la femelle, envoie de véritables aérosols de pollen dans l'air. En fait, il y a deux types de pollen. Il y a le pollen anémophile mhm. et le pollen entémophile. Le pollen entémophile, c'est le pollen qui est véhiculé par les insectes. C'est du pollen lourd. Les insectes qui butiment les fleurs. C'est du pollen lourd qui est moins allergisant et le pollen anémophile qui est véhiculé par le vent, c'est du pollen léger très allergisant. Donc chez nous, on retrouve aussi des gens qui développent des allergies à ces pollens, surtout le mm. pollen de graminées. chez nous, mm. les graminées, c'est surtout les graminées céréalières comme le riz, les pollens qu'on voit dans les rizières et d'autres céréales encore. Oui, ici, euh, précisément ici au Niger, quelles sont les plantes, euh, les plantes qui, favorisent des allergies Nous avons commencé. C'est une branche de recherche que nous sommes en train d'ouvrir avec euh, des collègues. Et pour l'instant, nous avons rapproché des botanistes. D'abord faire le répertoire des plantes qu'on trouve chez nous. Ensuite, euh, continuer l'étude et voir éventuellement quel pollen nous pouvons capter pour les tester sur les populations. Je peux dire que euh, concernant ce sujet, nous sommes à un stade embryonnaire, mais nous mm. savons déjà qu'il y a des allergies au pollen de graminées. Et les graminées, c'est euh, chez nous qu'on retrouve le plus, c'est le riz, le mil, le blé, le sorgho, euh, souvent vous voyez pendant l'hivernage, au moment de la floraison, les gens font de la rhinite, de la conjonctivite, mm-hmm. assurément qui serait lié à ce pollen, mais tout cela reste à prouver à travers des études, à travers de la recherche. Mm et la question des volailles. Oui, justement, le contact avec euh, c'est quand on parle d'animaux domestiques chez nous, il faut inclure la volaille aussi. Et c'est des sources d'allergènes, c'est vraiment des sources d'allergènes que nous allons explorer. Puisque pour l'instant, dans nos batteries de tests, nous n'avons que pour les animaux, les poils de chat, les poils de chien. Mais comme je l'ai dit, il faut tenir compte chez nous de, de tout ce qu'il y a comme animal domestique, les moutons, les chèvres et la volaille, justement. Mm. Et ça, vraiment, c'est des choses sur lesquelles nous allons nous apaisantir et faire de la recherche pour, euh, afin de mieux aider nos populations. Docteur Taïrou, euh, comme vous l'avez expliqué plus haut, la maison euh, elle est un vrai repère à, à allergie et on le voit, euh, bon nombre de personnes ont une mauvaise habitude, celle de ne pas aérer les maisons, le plus souvent les pièces de la maison ou des couchettes non exposées au rayon de soleil. Est-ce que tous ces facteurs contribuent à la manifestation des allergies Oui, bien sûr, bien sûr, et parce que les acariens sont, sont détruits à 60 degrés déjà, ça sont détruites. Donc euh, vraiment, il faut il faut aérer les chambres et les, en fait l'ensoleillement, les, les rayons solaires, ça contribue, tout ça, ça contribue à détruire les acariens. Le matin, il faut ouvrir les, fenêtres, bien aérer les chambres. Effectivement, ça contribue bien sûr à lutter contre ces acariens. En mm. fait, c'est des micro-organismes qui se nourrissent de nos peaux mortes, qui des, cellules mortes qui descendent de notre peau mm. et qui aiment l'humidité. Donc quand vous fermez, il y a plus d'humidité. Il faut vraiment aérer les chambres, mm. ça c'est sûr. Et les allergies en tant que telles, comment ça se manifeste chez, chez un être humain euh, Bon, concernant les manifestations de l'allergie, euh, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, selon le mode de pénétration, euh, il faut les allergènes pénètrent notre organisme par plusieurs voies. La voie respiratoire, la voie cutanée ou par euh, ingestion. Mm. Mais il faut retenir concernant la manifestation des allergies qu'il a des allergies qui sont immédiates, ce qu'on appelle l'anaphylaxie, mm. et aussi des allergies qui sont du type retardé, comme les eczémas. L'anaphylaxie, c'est vraiment une réaction allergique euh, potentiellement grave qui évolue par grade on peut avoir des anaphylaxies de grade 1, quelqu'un qui a juste quelques cloques sur la peau, ce qu'on appelle l'urticaire. Mm. Des anaphylaxies de grade 2, quelqu'un qui peut avoir mm, de l'urticaire et avoir des symptômes respiratoires. Et avoir aussi quelques symptômes digestifs comme les diarrhées, et mm. les vomissements. Et on peut avoir, on peut aller jusqu'aux anaphylaxies de grade 3, avoir des manifestations cutanées manifestations digestives, respiratoires et même avoir une chute de la tension et puis les anaphylaxies, le choc anaphylactique qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Mm. Donc euh, euh, l'allergie se manifeste sur euh, plusieurs organes, la peau par des urticaires et autres. Le système, notre système respiratoire. Par, ça peut être de l'asthme, ça peut être de la rhinite, de la toux. Mhm. Tout ça, ce sont des manifestations de l'allergie ou encore des douleurs abdominales. Parfois, quand vous ingérez certains aliments, ça vous donne des douleurs abdominales, des vomissements, des crampes abdominales. Mhm. Tout ça, ce sont des symptômes de l'allergie, en mhm. fait ou encore des gens qui font carrément certaines réactions allergiques peuvent être potentiellement mortelles, qui font des arrêts cardio-respiratoires. Voilà, justement, sur la durée des allergies sur un autre humain, vous dites même certains sont mortels. Oh, mhm. oui, certaines allergies peuvent être mortelles. Les allergies en tant que telles, ça prend du temps, euh, ça dure sur un être humain je je sais pas. bon, ça. ça dépend du temps que l'individu met à éliminer l'allergène. Si c'est un médicament, si on comprend très vite que c'est ce médicament qui crée l'allergie, il faut arrêter d'en donner. Mhm. Ou si c'est un aliment, il faut faire des tests pour dépister d'abord qu'est-ce qui crée cette allergie et puis arrêter, éviter ce qu'on appelle l'éviction. Donc ça dépend réellement du, du temps que l'allergène met pour sortir de l'organisme. Merci à vous, docteur. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce forum. Docteur, euh, nous revenons dans ce studio et nous poursuivons avec euh, ce forum. Nous étions euh, sur la question des allergènes domestiques, les allergies, les facteurs influençants, les insecticides qu'on pulvérise dans les maisons. Est-ce que cela aussi est l'un des facteurs des allergies Est-ce un allergène non, en fait, ça fait partie des polluants de l'intérieur, comme je l'ai dit, au même titre que l'encens et tout ce que nous pulvérisons dans nos chambres. C'est vraiment des facteurs qui irritent les voies respiratoires et en plus d'être des irritants, ils potentialisent, ils renforcent l'effet des allergènes. Donc mm-hmm. réellement, dans des maisons où il y a des enfants atopiques, comme je, le rappelle toujours, l'atopie, c'est la prédisposition des individus à développer la prédisposition héréditaire mm-hmm. génétiquement déterminée des individus à développer des réactions allergiques diverses. Mm-hmm. Donc, dans des familles où il y a des allergies chez les parents, tels que l'asthme, la rhinite. Il faut vraiment éviter tous ces facteurs car les enfants peuvent, comme on dit, il ne faut pas réveiller un lion qui dort. L'enfant peut être mm. asthmatique, mais à force de vivre dans un environnement sain, il peut ne pas développer son asthme. Mm. Donc, euh, si vous continuez à l'exposer à ces facteurs et à ces allergènes, effectivement, il peut, il peut aller jusqu'à développer son allergie. Merci à vous. Et concernant les allergies alimentaires, est-ce qu'il en existe ici au Niger Mm, oui, l'allergie alimentaire, en fait, euh, c'est une allergie qui est consécutive à l'ingestion de certains aliments. De... donc l'allergie même est créée par euh, des protéines ou des glucoprotéines qui sont présentes dans ces aliments. Bon, concernant le cas du Niger, ce que nous avons rencontré, d'abord, je peux dire que le premier aliment allergisant chez nous, c'est surtout, c'est surtout le criquet. Ça, Oui, j'ai rencontré, en tout cas, durant mes cinq années d'exercice de l'allergologie, j'ai rencontré plus d'allergies au criquet que tout autre aliment, mm. réellement. Mm, parce que au début, quand nous faisons des tests d'allergie, nous avons souvent des gens qui réagissent à la crevette, mm. qui ont des tests positifs à la crevette, qui nous disent en fait, bon, eux, ils mangent même pas la crevette. Bon, mm. souvent on trouve ça dans les arômes, c'est vrai. Mais on a poussé l'étude et là, nous avons compris, en fait, c'est des gens qui étaient allergiques au criquet quand on fait les tests. Comme nous n'avons pas encore l'allergène du criquet, mais quand nous avons intégré l'allergène du criquet dans nos études, et là, c'est là que nous avons compris que réellement, c'est le criquet qui est l'un des aliments le plus allergisant. Bon, j'ai aussi rencontré des allergies à l'arachide, c'est mm. pas nombreux, à l'œuf. J'ai même vu un individu qui a fait une allergie au, au niéré. Niéré, ce qu'on appelle l'outou ah, de oui, j'ai vu un individu qui a développé. Donc, oh. c'est dire qu'on peut faire mhm. une allergie à tous les aliments, mais chez nous, réellement, c'est le criquet. Oui, on trouve aussi des personnes qui, qui, sont allergiques aux poissons, les poissons de mer. Oui, concernant les poissons de mer, réellement, ce n'est pas de l'allergie. En fait, c'est ce qu'on appelle les histaminolibérations non spécifiques. C'est la chaîne du froid. En fait, le fait que les aliments soient conservés, surgelés, la chaîne du froid, ça produit plus d'histamine dans la chair du poisson. Mm. L'histamine, justement, c'est le médiateur chimique qui est à l'origine de ces, de ces démangeaisons. Donc, c'est réellement, c'est la conservation au froid parfois il y a une rupture du froid ou parfois quand les aliments sont surgelés, mm. la chair de, du poisson produit plus d'histamine. C'est mm. un élément qui provoque des démangeaisons chez les individus. Réellement, ce n'est pas des réactions allergiques mm. typiques. Docteur, vous êtes allergologue. Est-ce que vous recevez des patients qui se plaignent d'allergies, euh, surtout dues aux allergènes domestiques euh, Oui. Ça, c'est vraiment le quotidien. On rencontre euh, beaucoup d'enfants qui font des allergies aux acariens, aux poils de chat, aux poils de chien. Quand nous avons fait une étude, une thèse de doctorat en médecine, nous avons rencontré qu'il y a plus d'allergies aux acariens, suivi des blattes, les cafards. Et ensuite, le troisième euh, allergène qui suit, c'était le criquet qui n'est pas un allergène respiratoire, mais un allergène alimentaire. Pour ça, le criquet, on le voit bien, il est tellement consommé ici au Niger. Heureusement d'ailleurs que c'est quelques individus qui en sont allergiques. Mm-hmm. <laughs> la majorité ne réagissent pas, mais en termes de fréquence, quand j'ai essayé de comparer tous les aliments que nous avons rencontrés durant, ces cinq années d'exercice, réellement, c'est le criquet qui est au premier plan. Assurément que ça contient des protéines qui seraient allergisantes et que nous sommes en train de traquer, nous sommes en train de poursuivre l'étude pour savoir quelles sont ces protéines allergiques. Hein. Mhm. Pour en venir à la question de la prise en charge médicale des allergies, euh, est-ce qu'ici il y a des tests d'allergie qui sont euh, qui sont pratiqués ici au Niger Oui, nous faisons euh, toute une batterie de tests. Il y a ce qu'on appelle les prick tests, qui sont les tests qui explorent l'hypersensibilité immédiate, l'anaphylaxie, comme j'ai dit, des gens qui font de l'asthme, de la rhinite ou qui font de l'urticaire et autres. Quand ils viennent, nous les testons par le prick test et ensuite, euh, nous avons le patch test qui explore l'hypersensibilité retardée, c'est-à-dire les allergies. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a des allergies immédiates et des allergies retardées. Donc, le patch test, ça explore les allergies retardées. Les gens qui font des examens de contact au parfum, par exemple, des femmes qui utilisent souvent beaucoup de parfums, il y en a qui développent des allergies à ces mm-hmm. parfums, ce qu'on appelle les photoallergies. Mm-hmm. Il y a des femmes qui développent des allergies aux, aux bracelets, aux colliers qu'elles portent, on mhm. peut faire des patch tests pour savoir quelle est réellement euh, quelle, est la substance allergisante et qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut porter. Et nous faisons aussi des intradermoréactions aux médicaments. Des gens qui font des allergies médicamenteuses, nous faisons des tests qu'on appelle les IDR médicamenteuses pour mhm. euh, essayer de retrouver le médicament incriminé. Ensuite, nous faisons aussi des tests de provocation qui consistent à aller jusqu'à donner l'allergène à l'individu pour voir réellement si c'est ça la cause. Mm. Et, quelle est la, fréquence euh, des patients que vous recevez Est-ce qu'ils sont nombreux, les oh. patients oui, de plus en plus. Et mhm. l'hôpital national La Mode est de plus en plus euh, fréquenté. Il y a beaucoup de spécialistes qui nous réfèrent aussi des patients mhm. pour euh, chercher des allergies dans leur domaine. Par exemple, des pneumologues qui nous réfèrent des asthmatiques chez qui ils veulent qu'on retrouve des allergènes les ORL, les ophtalmologues, tous mm. envoient des patients pour euh, essayer de détecter l'allergène et procéder à l'éviction. Mm. Quel est le traitement euh, approprié pour les allergies Quel est le traitement que vous donnez mm. aux patients Bon, concernant le traitement, il faut d'abord retrouver l'allergène. Réellement, il faut rapidement faire des tests si cela est possible. Si on trouve l'allergène, on procède à son éviction si cela est possible toujours. Et ensuite, il y a des traitements médicamenteux il y a tout, une, tout un arsenal thérapeutique, les antihistaminiques, les corticoïdes, les antileucotriennes, hmm. tout ça. On peut aller jusqu'à l'immunothérapie, l'immunothérapie qu'on appelle anciennement la désensibilisation. Hmm. C'est-à-dire un individu qui est sensibilisé à un allergène, il faut le désensibiliser, c'est-à-dire lui donner des doses progressivement croissantes de son allergène jusqu'à ce que l'organisme tolère, jusqu'à induire une tolérance de, de cet allergène vis-à-vis de l'organisme. Voilà. docteur, est-ce que vous avez un cas récent d'un patient qui, qui, s'est présenté euh, avec des, allergies dues aux allergènes domestiques chez vous oui. Un cas récent, parlez-nous de ce Oui, le, un cas récent, je peux parler de le cas de d'une rhinite, d'une rhinite que j'ai reçue. Un monsieur qui a développé une rhinite allergique aux acariens. Et en fait, il fait, il est tout le temps rhumé, le nez bouché, des éternuements. Et, effectivement, de l'interrogatoire, nous avons trouvé que euh, il est gêné par la poussière. Donc, mm. déjà, l'interrogatoire, ça oriente ça oriente euh, les tests qu'il faut pratiquer. Mm. Donc nous avons trouvé que c'est quelqu'un qui est gêné par la poussière. Effectivement, quand il y a de la poussière, il éternue, il fait des, des, rhinites et autres. Et que nous avons testé, effectivement, il est positif aux, acariens. Nous avons mm. procédé aux mesures. Il faut d'abord donner les conseils, des mesures d'éviction, c'est-à-dire euh, aérer les chambres mm. et nettoyer souffler les moquettes, l'idéal serait de les retirer et puis éviter l'encens dans les chambres chez ce genre d'individus mm. et puis lui exposer les matelas dehors les mettre au soleil, ne mm. serait-ce qu'une fois par semaine, ça permet de détruire les acariens. Mm. Voilà, nous donnons de ces genres de conseils et en plus du traitement médicamenteux. Et, les allergies, on peut les prévenir dans, ce cas On peut les prévenir Oui, il y, a une, y a une prévention. Bon, la prévention commence déjà par considérer notre mode de vie, notre euh, cadre de vie, notre environnement de vie. Il faut voir est-ce qu'il y a la propriété. Il faut réellement eh, assainir nos, maisons, éviter le contact des enfants, surtout des enfants qui sont atopiques, qui ont cette prédisposition à développer des allergies, éviter leur contact avec les animaux domestiques. Mm-hmm. Et puis faire l'entretien de nos maisons, des climatiseurs, nettoyer même les ventilateurs, il faut, mm-hmm. il faut les dépoussiérer, dépoussiérer nos maisons lutter contre la prolifération de certaines nuisances comme les cafards, les blattes. Il faut de temps en temps désinsectiser les maisons. Pour les combattre, pour les parasites, Voilà, il faut mettre des insecticides pour les éliminer. Mhm et puis revoir euh, les polluants de l'intérieur, comme j'ai dit, l'encens, les, les, les, aérosols, tout ce que nous utilisons dans la maison. Ça peut déjà constituer un premier niveau de prévention. Et ensuite, euh, il faut voir des individus qui seraient, qui auraient une nature allergique. Il faut voir déjà le métier qu'ils vont choisir par exemple, quelqu'un qui est asthmatique ne veut pas travailler dans une boulangerie. Ça mhm. aussi, c'est vraiment un autre palier de prévention. Il mhm. faut déjà avoir le choix du métier. Bon, voilà, il y a beaucoup de paliers de prévention. Oui, et concernant les astuces même en tant que telles pour combattre les allergies, et les chambres à coucher, les, couches, et les matelas, les rideaux, euh, sur quelle fréquence on devrait les, faire sortir, les, aérer, les au soleil Une fois par semaine, il faut, chaque dimanche, vous pouvez exposer votre matelas au soleil, ça, ça, peut beaucoup aider réellement. Hein. On, trouve dans des maisons des rideaux qui font plus d'un mois. ça vraiment, euh, ça aussi, ne serait-ce qu'une fois par semaine, nettoyer les rideaux, dépoussiérer. Vous allez trouver certaines fenêtres qu'on ne peut même pas ouvrir à cause de la poussière. Mm. Donc là, vraiment, il faut assainir notre cadre. Les toilettes, les cuisines, tout ça. Les cuisines, on a remarqué que les allergènes de cafards sont plus présents au niveau des cuisines. Mm-hmm. Et dans notre étude que nous avons faite sur les allergies aux cafards, nous avons retrouvé que les femmes sont les plus touchées. Mm-hmm. Et des études ont montré que ces allergènes de cafards sont plus présents au niveau, dans, les pièces de cuisine. Mm. Et ça, c'est dû en partie au stockage des aliments. Donc, l'une des meilleures façons de lutter contre les cafards, c'est de ne pas faire de reste alimentaire. Mm. Juste après le manger, faire la vaisselle, et puis tant qu'ils viennent, ils ne trouvent pas de débris alimentaires, et, ils s'en vont. Et, dans nos réfrigérateurs, est-ce que oh, les allergènes sont présents euh, sauf euh, pour des aliments qui sont moisis, puisqu'il y a les moisissures aussi qui mhm. sont réellement des, des, allergènes qu'on peut inhaler et qui peuvent même nous donner des réactions digestives quand nous mhm. prenons des aliments qui ont été colonisés par des colonies de moisissures. Et donc, docteur, euh, pour finir, quels sont les, vos conseils à, tout, à toute la population pour, pour garder nos maisons propres sans allergènes et éviter les allergies Quels sont vos conseils <laughs> <laughs> Réellement, c'est, je lance un appel surtout pour les femmes et de voir euh, des enfants qui sont issus des familles mm. allergiques, si je peux appeler des familles atopiques, donc réellement d'éviter, ça je le répète encore, l'utilisation de, beaucoup d'encens, de, de, de pollen de l'intérieur, ça vraiment il faut, il faut, il faut revoir ce cas. Et ensuite, euh, les moquettes, les tapis, c'est vrai que c'est des décorations, mais là, mhm. vraiment, si il y a des enfants qui sont allergiques, il faut, il faut s'en passer, il faut s'en débarrasser. Mhm. Et ensuite, euh, il faut euh, revoir dans les animaux domestiques, éviter le contact des enfants avec ces animaux domestiques, surtout des mhm. enfants qui développent des rhinites chroniques, des conjonctivites et de l'asthme. Il faut vraiment éviter leur contact avec ces animaux domestiques. Mm-hmm. Donc voilà, entre autres, ce que je peux dire à la population. Merci à vous, docteur. Nous sommes au terme de ce forum qui a porté sur les allergies, les allergies qui sont dues aux allergènes domestiques et alimentaires. Et comme l'a expliqué docteur Tahirou, il faudrait nécessairement garder nos maisons propres et saines, éviter l'utilisation de beaucoup d'encens et faire le ménage quotidiennement de nos maisons euh, et autant de, bonnes manières qui nous éviteront des allergies et la présence euh, des allergènes dans nos maisons. Et c'est ici que prend fin le forum de ce soir. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Nous étions avec euh, Dr Tahiru Hamidou. Il est allergologue. Il est l'un des huit allergologues euh, que compte le Niger. Et je rappelle que Dr Tahiru est en service à l'hôpital national de Lamordé et est l'unique africain lauréat du prix de la Société française de l'allergologie en Afrique en avril 2017 à Paris. À la présentation, c'était Nafisa Adam Silfo à la technique Seni Saka. À demain pour un autre rendez-vous.